Vous euh, am solo la ci bi am ci bi am euh, ci Sénégal bàyyee ko euh, fi nga nga conseil des ministres am solo conseil des ministres amal conseil des ministres décentralisé di samedi fii première étape bi nga xamante ni moom président Macky Sall di euh, amal première étape bi nag euh, mu ngi ñu war euh, militaire du Saint-Louis du Saint-Louis ku des militaires, militaire dégg militaire xam c'est une école d'excellence creuse d'excellence nous avons formé un ay cadres yu bëri bëri Sénégal ay cadres nous avons pas seulement des militaires mais ay cadres nous avons ay Euh, civil la ñu nekk ci suñu administration ñenn ñi nekk ay diplomate euh, su ma waxee diplomate damay xalaat euh, ku ci mel ni l' ambassadeur Maguette Seye di ki nga xamante ne moo toogal suñu réew Sénégal fële ca Paris moom bi bëri ci ay ay morom am na itam ay magistrat ku ci mel ni Souleymane Souleymane Kane moom itam nekk magistrat Euh, magistrat yi nag euh, daanaka lim bu néew lañu ci euh, fànn woowu loolu yëpp di wane li nga xamante ne moo di critère d'excellence bi nga xamante ne moo jiitu nekk ci li nga xamante ne moo di prétendant militaire du saint xam naa dinañ am occasion wax ci lu bëri bëri waaye pour l'instant on va rester sous les images on reste sur ces images d'accueil Mame Moussa Niang avec toujours le président de la République Macky Sall qui est en train de communier avec les populations de Saint-Louis, les populations saint-louisiennes euh, qui, euh, très tôt le matin, ont envahi les grandes artères de Saint-Louis, les grandes artères qui mènent vers euh, l'aéroport international de Saint-Louis. Et vraiment, on a du mal. On a du mal, c'est une très forte mobilisation que les populations saint-louisiennes ont réalisé ici dans le cadre de cette visite du président de la République Macky ici à Saint-Louis. Une visite euh, qui, naturellement, s'inscrit dans la continuité euh, des actions euh, menées dans la capitale du rail à Thiès, mais sur notre région, bien évidemment, mais toujours dans le cadre de l'excellence, parce qu'on a, le président Mexa a inauguré hier le campus pédagogique de l'université Ibader Thiam de Saint-Louis. et là également, ici, nous sommes à Saint-Louis, Saint-Louis, ville d'excellence, avec le prix d'année militaire, le prix militaire, école d'excellence, toujours dans, dans la trajectoire, dans la lignée de cette euh, belle offensive euh, du président Macky Sall euh, qui fait ressortir toute la grandeur, de l'excellence sénégalaise à tous les niveaux. À tous les niveaux, on parle d'éducation, on parle d'enseignement supérieur, on parle également de, plusieurs actions en faveur des populations sénégalaises, notamment à caisse, le social, la prise en charge de la priorité des jeunes, l'accès à l'emploi pour les jeunes. Euh, le président Maxa en a euh, fortement parlé lors du conseil présentiel et même a euh, validé un programme dans le cadre du plan national de développement de, la région de Thiès, avec bien évidemment une, une, orientation fortement axée sur, le social. Le social qui, vraiment était un souci majeur du, président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême. Il y a également l'aspect du, capital humain. Le président on, en a parlé lors, de l'inauguration de lors de du campus pédagogique de, de l'université Ibadatiam de Thiès. Euh, ce sont plusieurs axes plusieurs axes euh, dans la politique du président Macky Sall, une politique euh, fortement axée sur la prise en charge des préoccupations des populations sénégalaises, quelles que soient les couches, notamment les femmes, les jeunes, et euh, puis euh, les, enfants, les étudiants, les, élèves, euh, tous font partie d'un vaste chantier que le président lui-même est en train de dérouler dans le cadre de la mise en œuvre du, plan Sénégal émergent. parce que tous, tous ces projets et ces programmes sont en cohérence avec le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel des politiques publiques. Et à ce niveau-là, on arrive à percevoir toute la pertinence de l'action présidentielle. Et c'est ce qui explique d'ailleurs euh, cette foule qui se reconnaît à travers euh, cette, vision du chef de l'État, qui se reconnaît à travers euh, ces actions du président de la République Macky Sall. Et, et c'est un chef d'État aimé et adulé ici à Saint-Louis. Et c'est l'expression d'un besoin naturel que les populations sont en train d'exprimer. Les populations sont en train d'exprimer ici à Saint-Louis. ici à Saint-Louis, Saint-Louis euh, du Sénégal euh, qui a mis aujourd'hui les petits plats dans les grands. donc euh, bataille qui ci image yi gis fii ci Ndar Géej ci Saint-Louis président Macky Sall ñu Terre ko teertu bu am solo gis ngeen mbooloo mi nu mu mel mbooloo mi bëri na foo sànni mbaat mu teg soo xoolee ci ginnaaw auto présidence daanaka ay mbooloo mu teg ko ay ay ndaw yoo xamanteni ni ñu ngi daw si président euh, de la République Macky Sall euh, déjà bien mu y bi mu demee une bi le président Macky Sall qui euh, bu ngeen ko xamee euh, bi mu defee Thiès euh, mbooloo mu takku moo ko moo ko accueillir foofu te ci biir mbooloo mi li ci intéressant mooy du woon rek ay militants naam militants yi ak seen leader politique à la base dañuy mobiliser à chaque visite du président de la République Macky ça mais soo xoolee baax analyser li nga xamante ne moo di symbiologie

ànd bi nga xamante ni ànd nañu ko ci vision bi mu am ci politique bi muy doxal ndax loolu mooy njiit njiit soo amee vision li nga xamante ne moom lay euh, gën a faratal mooy vision bi ñëpp adhéré ci te mën nañ jàpp ne ci li ñu gis Thiès ba Ndar vision bi nit ñi ndaw ñi daanaka rawatina euh, adhéré nañ ci li nga xamante ne moo di Euh, taxaway bu président de la république Macky Sall ak liggéey bi nga xamante ni door na ko mu ay chantier yu bëri yi nga xamante ni sumb na ko yenn yi pare na yenn yi nag euh, ci at yi ñuy jëm lañ koy yëngale donc loolu yëpp euh, bokk ci benn dynamique bu nga xamante ni njiitu réew mi président de la république Macky Sall moo ko amorcé mu di dynamique de développement dynamique de croissance économique mais surtout dynamique d'émergence

taxawal ay mbir nga xamante ni pour génération yi tey yii la ak génération future yi donc loolu mooy gis-gisu njiit mi président Macky Sall te mu koy wane nag euh, ci bépp euh, ci bépp taxawaay ci bépp action bu nga xamante ni daf koy daf koy amal moom njiit mi président de la république Macky Sall nga xamante ni euh, taxawaay bi taxawaay bi mu am ci wetu ndaw ñi nekk na taxawaay nekk na taxawaay bu am solo ndax dafay firndeel lu nga xamante ni moom la ndaw ñi di xaar moom jamono ji li ndaw ñi gën a soxla mooy am xëy loolu waroon d'ailleurs njiitu président Macky Sall bu mu duggee bi réew mi euh, déglu tête le poule des populations sénégalaises notamment ndaw ñi tout à percevoir li nga xamante ni mooy euh, li ndaw ñi gën a yittewoo li ndaw ñi gën a soxla mu di emploi mu di xëy

ki nga xamante de moo militaire de de Saint-Louis est à à militaire de Saint-Louis euh, les militaires de Saint euh, de Saint-Louis euh, prytanée militaire qui est qui est un creuset d'excellence l'excellence qui va être ravifiée aujourd'hui par le président de la République Macky qui tient au capital humain et ce capital humain qui forge aujourd'hui le l'avenir de toute une nation parce que en investissant euh, sur l'humain. Le président Macky Sall fait, un pari euh, sur l'avenir et ce pari, c'est sur les hommes, euh, sur les ressources humaines. Et le président Macky Sall en foi, à foi en sa jeunesse, à foi en la qualité, au talent et à l'intelligence de sa jeunesse. Donc c'est tout naturellement que le chef de l'État, c'est tout naturellement que le chef de l'État dresse, fixe le cap vers l'émergence en mettant euh, en focus sur euh, le capital humain. Euh, tout cela fait qu'aujourd'hui, partout où il va, le président Baxal est, fortement accueilli par les populations de cette localité, notamment les jeunes. Donc, comme ici à Saint-Louis, où la majeure partie des, populations qui sont, qui sorties pour, pour l'accueillir sont essentiellement des jeunes, des jeunes, des femmes également qui sont euh, très enthousiaste à l'idée d'accueillir le chef de l'État, le président euh, de la République euh, Macky Sall voilà donc président Duguna na ci le temps de se retrouver de l'autre côté au Britannique militaire de Saint-Louis c'est à vous Dakar le très Sud merci Pape Bérem Bigué Ndiaye Mais nous kon ñuy wax na ko léegi Aïssatou Françoise Seck yaa ngi gis ba léegi ñi nga xam ne ñoo di waa Saint-Louis bàyyiwuñu benn yoon président de la République mu dem fi nga xam ni moo di Prytanée militaire de Saint-Louis ñoomit bëgg nañ ko woon seen cofeel bu ko woon seen gunge bi nga xam ne ñu ngi koy koy gunge ci li nga xam ne moom lay liggéey ci wàllu réew mi fàttali aéroport bi ñu wàcc ni ci weer yi rek lañ ko inauguré foofu ca Ndar muy aéroport international boo xam ne fu nekk avion mën na fa jógee wàcc fa moo taxit tey jii président dafa jóge AIBD mu tu sax fanweeri minute mu wàcc fi nga xam ni moom moo di Ndar loolu nag euh, day wane rek kon taxawaay bi nga xam président de la république am na ko ci dëkk bu mel ni Ndar. Ndar dëgg la Moussa euh, su ma juumulee sax euh, mois de juillet 2022, mille vingt deux la inauguré woon li nga xam ne mooy aéroport bi tuddee ko nag Ousmane Masseck Ndiaye tey mu wàcc foofu kon mel na ni. Durant euh, benn le rek le euh, Saint-Louis mu melni nak euh, population yeb dañ ko yakamti won ndaxte bobu le inauguré won li nga xam moy aéroport bi waye lol Bobu tamit le defoon li nga moy pose première pierre ou Ben hôpital bo xam niveau 4 la waye bobu tamit le inauguré won li nga ...moye digue de protection bu euh, langue de barbarie xam nga ko mhm. bu baax Mama Moussa Niang ndaxte euh, ndar nga donc lolu yëpp la fa defone euh, fuk juróomi ben wer ci ginaaw mhm. tey nak... mu daal di dellu tamit di inaugurer di fee li nga xamne moy cent ans wu école d'excellence bu ñuy wax britannique militaire kon mu melni ni dal ...fou président dem dafay def yi nga xam ne mooy euh, mooy suqali euh, réew mi ndaxte euh, ku wax hôpital ku wax aéroport ku wax ay tali day mel ni loolu yëpp pour suqale gox goxaan yi rawatina nag Saint-Louis bi nga xam ne moom xam na ko bu baax a baax. Mm-hmm. xam na ko bu baax a baax ñu gis euh, ndaw yi ñi nga xam ne ñu teeroo président de la république ci fi nga xam ne aéroport bi fii nag Françoise euh, ñi ngi daw ñi ngi jëm fi nga xam ne moom moo euh, militaire bu Saint-Louis yoon la boo xam ne moom lay soldat yi di faral di wax parcours du combattant mhm. Bo jugee Ndar bo toppee route nationale bi ba ca kay ba fofu diggante bobu militaire yi xam nañ li wax danaka ci ay jamono militaire bu dogo a dugg armée dang koy ramper boobu ba nga yegg fi nga xam ne moo di camp militaire bu dakaar Bango daanaka nga toll ci fukki kilomètres loolu pour wane rek ne sawarte ak dëgëraay bi nga xam ni moom lay militaires yi di def ci wàllu formation ndax nag euh, nekk na yoon woo xam ne parcours la bu am solo dañuy yox sax ne xam nga booy dugg université dakaar am na fa am na fa. waaw <laughs> couloir de la mort couloir de la mort. boobu la daal maanaam moom laa ko mën misaale couloir la mort boobu ak parcours du combattant bi am foofu ci yoonu Bango. benn la ñuy dalal euh, le professeur euh, Diaw Omar Diaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nuyu Françoise. ñu ngi lay nuyu dina la dalal bu baax a baax suñu waxee nag ndar wax itam euh, fi nga xam ne moo di Prytanée militaire bu Saint-Louis dama la mujj yee ci nelaw sax ni la fokk nga ñëw teew pour nga nga wax ci ndax munoo ñàkk ci xew moomu. waaw daa tey moom démb Thiès la woon moo xewle woon tey ndar donc ndar moom. Nous du présenté ci histoire au Sénégal ci au Sénégal parce que Ndar moo nekkoon capitale bi d'abord au AOF de 1895 à 1902 seulement parce que ñu bari dañuy foog ne ba indépendance Saint-Louis moo capitale au AOF Saint-Louis dafa continuer nekk au Sénégal mais le capitale au AOF depuis 1902 donc euh, ba bañuy transférer capitale bi donc autour de 1959 donc à la veille de l'indépendance mais donc Ndar un capital capitale administrative capitale politique capitale euh, économique ça, d'une certaine façon et même Dakar di place aussi capitale de l'école de l'instruction donc parce que nous avons dañ ministère de l'instruction publique c'est bien après que éducation nationale gis nga prytanée militaire ñu ngi wax euh, tey la am cent ans centenaire bi fêté en 2023 mais il faut savoir aussi que le lycée Faidherbe bi nga xam té mu tudd légui euh, El Hadj Oumar Foutiyou Tall daanaka mook moom a maase ñoom ñoo maase parce que bobu tamit nékkone premier établissement d'enseignement secondaire ci Afrique française waxuma Sénégal de Afrique française donc école ndar la commencé parce que tay école mo ñu mo moo tax ñu ñu tok fi école ndar la commencé euh, première école primaire bi sax lu ñu wax l'école de gendarme d'Arc ndar la la commencé lolu li koy expliquer moy tuba bi ñoo créé Saint-Louis 1659 euh, affaire bi di dem di dem di dem ba si yag ñu xamné que euh, am rew mono fexé ba ba nekk bu fekkee ne tamit euh, ndaw yi formé wuñ leen lolu tax ñu indi de façon globale l'éducation scolaire en Afrique l'éducation française ba école militaire préparatoire parce que affaire bi y une euh, militaire de Saint-Louis Pritanné, euh, c'est un mot qui veut juste dire euh, école bon, plus ou moins formation formation militaire mais donc mu une école militaire préparatoire de Saint-Louis du début ou presque à la moitié des années 70 Nous avons donc changé mu avons PMS Pritanné militaire mais avant c'était une école préparatoire ñu bari jaar fi nak daan jógee euh, fi Sénégal d'abord mais en même temps de tout l'espace euh, ouest africain donc euh, am na ñoo xamné dem nañ ba nek ay présidents ci yenn réewu Afrique yi fi lañu jaar ba ba nga xamné ne daan même en visite officielle au Sénégal le président de leen dañu koy ñaan dem Britannique dal di ziar un peu fi nga xamné fa lañu jaaroon parce que bo fo foo def ay ati at xam toujours dafa am foo xam ne am na ci ay lieux yoo xam ne doo ko donc loolu mooy histoire prisonnier militaire et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que le prisonnier militaire c'est un peu un lycéen hein. il faut que les gens le comprennent en réalité de la sixième à la terminale les élèves ils sont soumis au même programme que l'élève du lycée Lamine Gueye de Limamoulaye de Mariam Ba c'est les mêmes programmes d'ailleurs professeur yi c'est des civils Maintenant, c'est l'encadrement qui est militaire. a un encadrement militaire un commandant d'école qui est militaire donc euh, mais liquides c'est un lycée la preuve bu ñu bac soit il continue vers, l'université ou dans les facultés les UFR ou alors parfois ils poursuivent dans les grandes écoles militaires généralement on y entre par voie de sélection par voie de concours donc euh, maintenant puisque c'est une école ba nga c'est une école à encadrement militaire dañuy sol ay tenue tenue bi ñu a xam moy bi sol 4 avril euh, bu ñuy défilé en réalité ça c'est leur tenue de cérémonie donc euh, voilà sinon à l'école ils sont plutôt en culotte courte hein short la sol bu dem école euh, c'est une tenue plutôt bleue bobu pour dem gens bu ñuy tout le monde est en uniforme ñu dem nous ils vivent en régime d'internat donc euh, euh, loolu tamit bokk na ça fait mais c'est aussi les résultats c'est c'est une école de prestige les effectifs ne sont pas malheureusement comme dans les autres ou heureusement ça dépend de Omar euh, yaa ngi gis ci imagine président de la République léegi mu qui ci fi nga militaire yaa ngi koy wax euh, léegi école boo xam ne ñiy jàngale ñu ci ëpp civil lañu. ñëpp ñëpp baax na sax aussi ñu fàttali ni yow it jàngale nga foofu ci école boobu. école bi nag dañ ko loger ci biir ab camp militaire loolu moo waral formation militaire boobu di faral di am ñu leen ci initier. camp bobu nak modi camp de Momar Gari mom lañu ñu de Momar Gari waaw moom la ñu romb fofu léegi moom foofu camp la bo xamné meun mën nga dellusiwaat ci centre d'initiation bi nga xamné mo fa am parce que euh, tamit meun ñu wax euh, soldats du Sénégal yëpp lañuy la voilà donc en fait euh, centre de Momar Gari bobu mom lañu non wax Dakar bangou wala Dakar bangou qui bi origine mot bi parfois c'est très discuté mais tout le monde sait que camp bobu mo abrité compagnie d'instruction deuxième compagnie d'instruction CI comme on dit euh, boo xoolee seen insigne de corps sax ña fa nekk pont la pont Faidherbe lañ ci def euh, donc effectivement bu bu fekkee ne da nga daan solu soldat, Sénégal foofu ngay dem ñu tàggat la di nga toog d'ailleurs ñetti weer euh, daanaka doo génn dañuy wax ne doo gis drapeau. Mm-hmm. c'est-à-dire que doo génn amul permission donc vous euh, avez trois mois de formation je ne sais plus si c'est deux c'est toujours trois mois mais après on leen affecté dans toutes les voilà toutes les régions du Sénégal On ñi ñu des armée de terre ñenn ñi ñu marine ñenn ñi ñu aviations. corps les différents corps de l'armée. Mhm. ñenn ñi sax auxiliaire gendarmerie, yeeg yooyu mhm. donc il fallait que nga nécessairement amul centre d'instruction des armées donc euh, mu ngi noonu bunt bi yaa koy l'insigne de corps maintenant de de de de l'école Charles Thioréré donc de Saint-Louis euh, nga gis ne ci buntu bi dañ fa def l'insigne de corps des élèves enfin de du Prytanée euh, s'instruire pour mieux savoir donc jàng pour gën a xam donc euh, l'olu ñom l'olu mom moy sen devise euh, mu nek euh, devise bo xamné amna amna amna yenen devise am devise yu muy xaw a nirool s'instruire pour mieux servir s'instruire pour mieux savoir et cetera donc yooyu yep c'est à peu près la même devise quoi mais li mom mo mës nek devise britannique le fond est rouge am benn espèce de livre wala wala cahier bu ñu tijji ci kii bi am ben pack bu ci nek donc voilà quoi ce qui symbolise le le militaire xam nga am na dafa am en Afrique de l'Ouest un mhm. peu qui ont été forgés sur le modèle du prétané militaire c'est par exemple le prétané militaire de Kadiogo je crois que c'est au Burkina Faso mhm. et le prétané militaire de Kati dañ élèves au Mali mhm. euh, ñooñu dañuy dañuy dañuy euh, quasiment ils fonctionnent de la de la même façon mais mais aussi euh, il faut savoir que comme on est dans une école militaire sport bi dafa am solo. doole euh, initiation initiation euh, à la vie militaire. donc euh, selon le niveau d'études, selon nga premier cycle wala nga deuxième cycle am na yoo nga ko def par exemple saut parachutiste généralement c'est réservé aux élèves assez grands quand même il faut avoir un certain âge mais surtout il faudrait que un médecin des armées constate votre aptitude d'ailleurs <clears throat> d'ailleurs d'ailleurs concours bi bala nga kay def concours bi bala nga kay def. waaw ah, Françoise mu mel euh, Françoise euh, euh, président ex ci bir Britannique. waaw mhm. président de la république nak di nuyoo ni autorité yi nga xamné ñom ñoom ñoo nekk ci Britannie militaire ak quelques élèves gis nga mu ngi taxaw di saafonteeg ñoom nous sommes l'ol de recevoir recevoir président de la république pour euh, fêter li nga xamné moy 100 euh, ans yi euh, li Omar Diaw doon wax mu ngi ni militaire bi parce que c'est une école c'est vrai que c'est une école d'excellence mais une école militaire ñuy présente wu ku ci pour mëna a nuyo ki nga xamné moy

pédagogique qui est mhm. tout aussi important, sinon même plus important que l'autre volet, parce qu'on est dans un établissement d'enseignement. Mhm. <coughs> mais, mais, mais l'école est sous la responsabilité du ministère des Forces armées. Mhm. Donc, nous avons organisé l'EP. Euh, maintenant, euh, le ministère de l'Éducation nationale arrive en appui pour ce qui concerne la pédagogie et pour ce qui concerne euh, euh, l'affectation des professeurs il fay et ainsi de suite donc parce que la vocation de l'école comme d'ailleurs l'école militaire de santé c'est pas de former des personnels enseignants qui seraient là-bas si tu compares parce qu'on est dans le domaine des écoles militaires l'école militaire de santé ils sont étudiants à la faculté de médecine de Dakar mmh. il n'y a pas de cours dans leur école euh, au Camp il n'y en a pas le matin un bus les amène à l'école donc c'est un peu le même schéma ils viennent suivre euh, les cours euh, comme tout le monde. Euh, et, s'il arrive, par malheur, hein, parce que c'est déjà arrivé, <laughs> il faut aussi le reconnaître, que quelqu'un quitte le Britannique pour une raison ou une autre, soit insuffisance de résultats ou bien indiscipline, parce que la discipline, elle est extrêmement importante. Quand ça arrive, ben, cet élève, il continue dans le civil. il, est réaffecté dans un établissement secondaire du civil et il continue son cursus. Donc, pour dire simplement, que le volet pédagogique, c'est une affaire finalement de, tout le monde, civil, et le, volet pédagogique, maintenant pour le volet militaire, ça, si tu n'es pas dans une école militaire, tu ne peux pas plus ou moins faire euh, voilà, un apprentissage militaire. Donc, pour faire le concours, euh, je veux dire que d'abord, ce qu'il faut, c'est une visite médicale d'aptitude. Une visite médicale d'aptitude qui est faite par un médecin des armées. Le service de santé des armées, c'est lui qui désigne un médecin vous y allez, vous faites d'abord la visite médicale. Et une fois que l'aptitude est constatée, vous pouvez continuer vos démarches pour éventuellement faire ce concours qui est très sélectif parce qu'en moyenne, ils prennent 50, les corps, c'est en moyenne 50 élèves euh, par année, et ça, c'est très peu. Donc, vous imaginez qu'on n'est pas sur un examen, mais un concours. Un examen, c'est que quand tu as 10 de moyenne, tu passes. Dans un concours, on prend les meilleurs. Si on dit à 50 élèves, on voit les résultats, on fait un classement et puis les 50 premiers sont... Et après, quand tu arrives à l'école, euh, au bout de quelques jours, il y a une contre-visite médicale pour voir si réellement... Alors, c'est à l'issue de cette contre-visite médicale que vous pouvez être définitivement retenu. Mhm. muy euh, kon lu am solo Françoise euh, junj na ko sànq sax ne prytanée militaire <coughs> génn na ay cadre xëy na ci coté intellectuel mais tam ci wàllu sport sànq ñi ngi koy euh, wax ndax armée tamit sport la yow du ñàkk xëy na am na loo xam ci ci ci loolu ndax nekk na fànn boo xam ne aussi toujours dañuy wax un corps sain dans un esprit sain dans un corps loolu yëpp parce que tamit amna na volet boo xam dafa am solo trop ci fan yooyu. waaw c'est vrai que Prytanée militaire comme ni ko Oumar Diaw euh, école d'excellence là, il faut nga def visite d'aptitude euh, nga ñëw jang melni kuy jang école parce que euh, institut éducatif là waaye tamit sport bi amna ci solo torop torop ndaxte dañuy def euh, li nga xamné moy euh, ay concours ci ci sport bi té bo seetee sax amna ay dirigeants Linguère de Saint-Louis yo xamné ñom ñu bari jaar nañu ci école boobule di euh, di Prytanée militaire. Euh, am na ñu fa génn am na ñoo xam ne aussi yeggaliwuñu euh, seen jàng parce que sport bi moo dem ba euh, yàq waaw ba ba kii leen yàq tuuti seeni jàng waaye ñu continuer ci li nga xam ne mooy sport loolu sax am na ñoo xam ne aussi ñu ngi ci ASFA parce que mhm. association sportive des forces armées am na ñoo xam ne tamit foofu lañ jógee ci ci école boobule donc euh, école la boo xam ne c'est multidimensionnel ndaxte mun nañu jàng foofu école nga génn nek euh, amna sax ñu fa nek président de la république génn ci école bobu amna ño xamné xam génn nañu nek ay grands sportifs amna ño xamné xam génn nañu nek ay militaires donc nek sous les ordres du sol euh, tenue militaire nek ci ci armée bi ci gendarmerie bi wala ci ci benen corps euh, corps d'élite mhm. mais toujours est-il que li ñu mëna japp moy que ni euh, Prytanée militaire école d'excellence là et puis comme ni ko Omar Diaw waxé tamit dafa sélectif euh, ñi nga xam ne dañuy def concours bi du ñëpp ñooy réussir nag parce que euh, néew na ñu ñuy jël foofu comme école yu bari sax d'ailleurs euh, ñi nga xam ne dañuy def ay concours duñ fa jël ay élèves yu bari pour mun leen canaliser mun leen tàggat mun leen aussi jàngal pour que ñu nekk ay en fait c'est c'est la crème hein, c'est la mhm. crème du du de tout ce qui est éducatif tout ce qui est sportif li ñu boole macha allah dafa président de la république nak euh, euh, Mama Moussa Nia euh, mu ngi ni di andak kilifa école bi di nuyo tamit di nuyu élèves yi gerbe de fleur bi lay dem pour que mu rendre hommage

c'est donc en fait un souvenir aux soldats tombés sur le champ, au champ d'honneur. Mhm. Donc euh, voilà, on est, on est un peu dans le rituel des armées. C'est à chaque fois que l'armée organise quelque chose, on, se souvient. On se souvient mhm. des, des, hommes qui sont tombés finalement au champ de l'honneur et il n'y a rien qui soit au-dessus de ce moment-là. Mhm. muy euh, jamono ju am solo moo tax ñu marqué silence euh, boobu clairon boobu bi mu jibee pour ñu fàttaliku ñi nga xam ne ñoo wuy ji borom bi euh, Françoise nekk na lu am solo fàttaliku it mu fi jógee. waaw loolu lu am solo la ndaxte ñoom ñoo nekkandoo woon certainement. Euh, ci champ de bataille bi euh, ñu daal di bàyyi faire seen bakken pour la nation je crois que lolu jaadu na pour euh, ñu leen di rendre hommage Et à chaque fois que l'occasion se présente en tout cas en milieu militaire en milieu justement militaire dañ leen di rendre li nga xamné moy les honneurs ndaxte dañoo daanu ngir seen réew ngir drapeau Sénégal je crois que loolu moom lu am solo la. am solo trop parce que. suñu 50 ans euh, président Voilà. Donc c'était en 1973, effectivement. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est un peu cette période qui a coïncidé, euh, le changement d'appellation de, l'école a à peu près coïncidé à cette période-là. Autour de 73 que le Britannique militaire euh, donc, est né, en fait, sous cette appellation de Britannique militaire refermant la page de l'EMP, donc euh, l'école militaire préparatoire. Donc, 50 euh, ans, voilà, c'était le président Senghor, 100 ans chez, le président Macky Sall. Donc, euh, et la vie continue, l'école va continuer. Bon, clairement, elle a évolué pendant tout ce temps-là. Donc là, le, chef de l'État est assis. Au premier rang, ce sont évidemment les officiers généraux et le commandant d'école que vous voyez au centre de l'écran probablement. Mhm. mi ngoog euh, kon ñu ngi Ndar Dakar Bango nous ngi fi nga Saint-Louis du Sénégal parce que euh, Saint-Louis tamit dafa am feneen fu mel États-Unis Saint-Louis du Missouri euh, waaw waaw moo may faral di wax Saint-Louis du Sénégal pour ça nous mën a xam ni it ñu Sénégal Saint-Louis nek Dakar Bango nek nak euh, ci walu histoire it lu am solo wax nañ ko léegi juroom fukki at ñu ko célébré woon 1973 tay ji téeméeri at kon motax président de la république dag lu toll ni tournée économique bi mu doon amal dem nar pour célébrer ko tamit euh, dafa am na solo trop. mais oui mhm. je, crois que il faut savoir que les différents régimes qui se sont succédés au Sénégal ont accordé une place extrêmement importante pour cette école qui rayonne au-delà du Sénégal. Donc, ça a toujours été une école euh, à, laquelle on a accordé beaucoup d'importance. Euh, le, le Britannique, c'est à peu près un demi-millier d'élèves. Hein. et ça n'a pas toujours été comme ça. Clairement, en 73, c'était encore moins. Donc, euh, oui, c'est ça. louis je crois qu'ils en sont à 453. Voilà, donc c'est pour ça que je parle d'un demi-millier. Donc, à peu près entre 450 et 500 élèves. Euh, c'est la taille d'un petit collège, d'un petit collège en termes d'effectifs. si vous savez que la plupart de nos lycées ont 4 000, 5 000, 6 000 élèves, donc euh, tout cycle confondu, évidemment, dans ces conditions, vous allez voir que si tu prends 450, tu divises par le nombre éventuel de classes. Même s'il y a deux classes par niveau ou trois classes par niveau. De la sixième à la terminale. oui, il n'y a pas une sixième, une terminale. Parfois, il y a deux sixièmes, deux cinquièmes, ainsi de suite. Mais clairement, même si on multiplie par deux le nombre des classes, ça fera 14 classes, sixième terminale. Et tu divises, enfin, tu prends au numérateur les 450 élèves, tu verras que tu te trouves avec des effectifs de 18 à 20 élèves par classe. Donc. Euh, je connais assez bien le italien, mais il est arrivé qu'on <laughs> est dans des classes de terminale, 6 élèves ou 7, mm. dans une terminale S1, anciennement terminale C. Donc, clairement, du point de vue pédagogique, tout enseignant voudrait tenir une classe euh, avec un petit effectif. Le suivi, il est plus rapproché. Lorsqu'on a comme ça moins de 10 élèves dans une classe terminale, tu peux vraiment suivre individuellement. Tu peux individualiser l'enseignement. Tu sais, la prétention de l'enseignement, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu as une classe de 50 élèves et tu veux enseigner la même chose à tout le monde. Or, tout le monde n'est pas aussi réceptif. Lorsque, maintenant, lorsque les effectifs baissent, tu es sûr que tu peux approcher l'élève, voir ses lacunes, ou alors voir son avance, parce qu'il y a des élèves qui sont en avance sur les autres. Et quand tu enseignes un peu dans ces conditions, l'élève qui est en avance sur les autres, il a envie que tu ailles plus vite. Or, l'élève qui est un peu, qui met du temps à comprendre, il a tellement, il a plutôt envie que tu, tu vas, que tu ailles mollo, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça. Maintenant, maman qui parle de Saint-Louis, ça se passe à Saint-Louis, Saint-Louis du Sénégal, c'est en l'honneur du <laughs> roi soleil Louis XIV. Donc, euh, comme ça, les, Français ont, appelé mais la ville, l'appellation originelle, Wolof, c'est Ndar. Ndar, c'est le nord et le sud de Saint-Louis, l'Ordre de tendiguet, Tu sors de là-bas, tu n'es plus à Ndar normalement. Parce qu'avant, c'est Tendjigen, tu connais bien maman. Et de l'autre côté, c'est Ndartout et donc le quartier de Genda. Donc l'espace est très délimité. Euh, voilà, c'est un discours du commandant d'école, certainement. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région de Seine, Monsieur le général du corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, chers anciens du Sénégal et des pays amis, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs et grades, honneur ne peut, plus, ne peut être plus immense que de prendre la parole en ce jour historique de célébration du centenaire du Britannique militaire de Saint-Louis pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au camp des Montmargari. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé le privilège d'être le commandant de cette prestigieuse école en ce moment singulier qui coïncide avec la célébration du centenaire. À l'entente de mon propos, je voudrais avoir une pensée pieuse pour les militaires, enfants de troupes professeurs et personnels civils, qui ont été arrachés à notre affection trop tôt, alors qu'ils remplissaient remarquablement le devoir, chacun dans son domaine. Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des personnels militaires, du corps professoral, des employés civils et des enfants de troupes, vous adresser très respectueusement nos plus vifs remerciements d'avoir bien voulu présider cette cérémonie historique. Votre présence témoigne de l'intérêt particulier que vous portez au Britanniques militaire de Saint-Louis. Au regard du rôle d'incubateur de citoyens modèles que joue le Britannique militaire de Saint-Louis depuis sa création, le thème du centenaire, 100 ans d'excellence et d'intégration africaine, est bien en propos. En effet, cela fait 100 ans que l'école s'est fixée comme noble objectif de former des serviteurs de la nation imbus de valeurs cardinales. La devise de l'école, savoir pour mieux servir, reflète la philosophie et la mystique de cet objectif. Le label d'excellence que cultive le Britannique militaire de Saint-Louis est le fruit d'un effort continu de la part de plusieurs acteurs impliqués dans son évolution depuis sa création en 1923. En effet, L'évolution de l'école ces 50 dernières années illustre parfaitement l'ampleur des investissements. Certains anciens auront certainement du mal à reconnaître leur école. En effet, d'une superficie de 8 hectares, il est passé à 13 hectares en 2008 avec la création du lycée qui est maintenant séparé de la zone vie. Les dortoirs jadis en métal ont laissé la place à des bâtiments modernes à étages abritant les logements des espaces d'études et de loisirs avec des équipements modernisés. De même, les uniformes ont progressivement suivi la tendance dans les forces armées sénégalaises. Cette évolution au plan des infrastructures et des équipements, combinée au travail acharné des générations de professeurs et d'encadreurs civils et militaires, a eu un impact très positif sur les résultats scolaires. Pendant toutes ces décennies, le et militaire de Saint-Louis a enregistré une moyenne de réussite de plus de 98% au premier tour au baccalauréat et au brevet de fin d'études moyenne, avec un pic de 100% et une forte augmentation du nombre de lauréats au concours général dans les matières scientifiques en 2022. Durant toutes ces années, l'école a constamment bénéficié de l'accompagnement de l'amicale des anciens enfants de troupes, qui s'est fortement impliquée dans l'organisation de ce centenaire. C'est le lieu de remercier les anciens du Sénégal et des pays amis pour les soutiens tant appréciés qu'ils ont toujours accordés aux cadets. Par l'exemple, ils promeuvent les valeurs de partage et montrent la voie à suivre. L'association des parents d'enfants de troupes n'est pas en reste. Les conseils avisés, les soutiens pertinents et l'attention qu'elle accorde à l'école contribuent grandement à la bonne éducation des élèves forgeron infatigable du moule britannique. Tous ces acteurs, chacun à son niveau, ont participé à façonner des destins et à consolider le label d'excellence de l'école dans un environnement multinational. L'intégration africaine se vit quotidiennement ici au Britannique militaire de Saint-Louis. Les enfants de troupes étrangers à l'école sont issus de 14 pays africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Niger, la République centrafricaine, la République de Guinée et le Tchad. Depuis 1923, le Britannique militaire de Saint-Louis a formé près de 6 000 enfants de troupes, dont 4 178 Sénégalais et 1 806 élèves issus de 15 pays africains et 3 Européens, à savoir la Belgique, la France et l'Italie. Aujourd'hui, la part des enfants de troupes étrangers représente 27, des effectifs de l'école, ce qui montre la confiance accordée au système éducatif sénégalais et à notre chère école. Monsieur le Président de la République, pour finir, je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel du Britannique militaire de Saint-Louis, vous exprimer notre très profonde gratitude, l'attention particulière que vous portez à cette école est ressentie comme une véritable source de motivation. Comme nos devanciers, nous nous engageons à maintenir haut le flambeau qui nous a été transmis et continuerons de marcher sur le chemin de l'excellence et de l'intégration africaine. Savoir pour mieux servir, on nous tue, on ne nous déshonore pas. militaire de Saint-Louis mi Françoise euh, lu ñu mën ci discours commandant. waaw liñ ci mëna japp jàpp bëri na euh, Mama Moussa Niang ndaxte dafa xawa a def li nga xamné moy jeunesse bi fi école bi joggé ba fu mu yegg ci tay ak euh, innovation bees bees yi ñu fa indi ba tax xalé yi di nekk dans de bonnes conditions conditions d'hébergement waye it condition ci salle de classe ak lu ñuy euh, condition également ci discipline euh, euh, de l'école savoir pour mieux servir lolu le commandant école bi wax di ko rafetlu nak torop ba paré mu gërëm ki nga xamné moy chef de l'État chef suprême des armées ngoog xale yaa ngi noonu nga gis len niñ ko don waxé légui rek ak sen ay tenue militaire li nak initiation la pour euh, def formation bi nga xam ne moom mooy côté militaire bi loolu jotewul dara ak côté bi nga xam ne mooy côté pédagogique ndax euh, am na fi ay salle de classe yeneen koy seen noonu salle de yooyu mooy jàngukaay yi nga xam ne ñoom ci lañuy faral di daje teel nag teel nag lañuy xëy ñoom daanaka fajar na fekk yenn élèves yi ñu ngi ci salle di réviser balay huit heures di jot enseignants yi ñëw ñu doog a commencé jàng bëccëg bi dafa am programme boo xam ne moom lañ leen di jox tu discours major général des armées monsieur le général de corps d'armée haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire messieurs les officiers généraux monsieur le commandant de la zone militaire numéro 2 messieurs les officiers et invités des pays amis messieurs les officiers sous-officiers et militaires du rang Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos rangs, grades, chers personnels du Britannique militaire de Saint-Louis, chers invités, il y a 100 ans, en 1923, naissait dans cette mythique et si belle ville du Sénégal, pleine d'histoire et de gloire, l'école des enfants de troupes, qui, de mutation en mutation, est devenue le Britannique militaire Charles Choréré. Cette école d'excellence, 100 ans durant, a en effet reçu, éduqué, instruit et formé plusieurs milliers d'enfants devenus par la suite de hauts cadres dans les administrations civiles et militaires de leurs pays respectifs, qui, à toutes les étapes de leur cursus scolaire et professionnel, ont toujours cherché à savoir pour mieux servir. Quel enfant n'a pas rêvé un jour d'en faire partie Rien qu'à voir ces enfants de troupe dans leur bel uniforme, arpenter les rues de Saint-Louis un jour de permission, ou marcher avec une fière allure au défilé du 4 avril, a donné envie un jour à n'importe quel écolier sénégalais d'intégrer cette école. La vérité est que le Britannique est un mythe et il le demeure aux yeux d'un bon nombre de Sénégalais qui voit en cela l'assurance d'être promu à une belle carrière du fait du prestige attaché à cet établissement. Une mission a priori exaltante, mais ô combien difficile. Cultiver l'excellence, la faire vivre et la perpétuer, sans ans durant, quelle mission ardue. Admettre des enfants choisis par les, les meilleurs élèves des classes de CM2, âgés entre 10 et 11 ans, de surcroît de rang social différent, d'éducation et de pays différents, avec tout ce que, cela comporte comme dépaysement, naïveté, endurance. Réussir à fondre ses enfants dans un même moule grâce à un enseignement militaire et scolaire, fait d'exigence, de privation, de discipline, de rigueur, mais aussi de saine émulation, il faut pouvoir le faire. La vérité, et que le Britannique est unique. Il est même différent. Les images d'enfants de troupes recevant des prix aux différents concours défilent encore devant bon nombre d'yeux. Et les époques n'y ont rien changé. Difficile d'imaginer des résultats du bac ou du BFM en dessous de 100%. Sacrilège. Il y a en effet longtemps que la culture de l'excellence est ancrée au Britannique militaire et n'est pas prête de le quitter. Ce qui rend le Britannique d'autant plus spécifique et unique, c'est ce creuset d'intégration africaine qu'il est. Le résultat, ce sont des générations de cadres militaires et civils africains formés. Chefs d'État, ministres, directeurs généraux, hommes de médias, ingénieurs, fonctionnaires internationaux, officiers généraux et supérieurs de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la douane, des eaux et forêts, des parcs nationaux, au cadre des institutions internationales, universitaires, enseignants, communicants, chefs d'entreprise, etc. Le Britannique, c'est finalement ce, moule d'enfants africains qui sentent, après sept ans de vie commune et de partage, de joie et de peine, unis par des amitiés solides, une fraternité sans bornes qui finit par transcender ces clivages de nationalité. La preuve que cette dynamique d'intégration africaine est déjà une réalité vécue. Elle transcende les pays, les nationalités. En effet, tous les anciens enfants de troupes se sentent profondément africains. Les mêmes noms patronymiques voyagent à travers nos différents pays, les mêmes cultures, les mêmes sonorités musicales, les mêmes ethnies et finalement les mêmes familles, les mêmes peuples. L'intégration reste en effet l'un des grands challenges des années à venir pour une Afrique riche de ses hommes, de sa nature généreuse et de ses ressources inestimables. Elle ne pourra se renforcer qu'en perpétuant l'excellence dans les différents centres africains d'enseignement et de formation pour se mettre davantage en phase avec le monde en perpétuel changement. Les AET ont en commun ce fort sentiment d'être redevables à vie à leur école. Ils lui apportent naturellement leur concours significatif et déterminant pour l'accompagner à demeurer ce creuset d'excellence sur lequel elle a bâti sa réputation centenaire. Ainsi, elle pourra assumer pleinement son rôle de pourvoyeuse de ressources humaines hautement qualifiées et de vecteur de panafricanisme et d'intégration. Je voudrais, mesdames et messieurs, réitérer au nom de toute la famille des anciens enfants de troupes, notre sincère gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, chef suprême des armées. Vous nous avez honorés en présidant cette cérémonie solennelle malgré vos multiples obligations. Nous connaissons votre attachement au Britannique militaire Charles Tchoréré, qui est le premier établissement que vous avez visité dès votre accession à la magistrature suprême. Merci, Excellence, du fond du cœur. Nous remercions également votre gouvernement pour tout le soutien approprié que nous avons reçu. Le ministre des Forces armées pour ses conseils et l'état-major général des armées, qui ont bien voulu associer l'amicale des anciens enfants de troupe dans les travaux préparatoires, la mise en œuvre et l'organisation de ce centenaire. Nous avons travaillé la main dans la main dans le cadre du comité de pilotage et du comité ad hoc mis en place. À l'ensemble, à l'ensemble de nos dignes, valeureux et inégalables formateurs que sont nos professeurs, qui nous ont tous à l'ensemble de nos dignes, valeureux, inégalables formateurs, nos professeurs, qui nous ont tous à leur manière inculqué le savoir, et nos encadreurs, les chefs de classe, qui nous, <coughs> et nos encadreurs, les chefs de classe, qui nous ont guidés, conseillés, réprimandés si nécessaire, pour que nous puissions servir avec abnégation. Ils ont, fait de nous les hommes que nous sommes devenus en nous inculquant tant de valeurs, tant de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Chers maîtres, nous vous serons éternellement reconnaissants. Nous remercions nos partenaires et sponsors qui nous accompagnent dans toutes nos activités et qui ont scellé un pacte de fidélité et de constance avec l'amicale des anciens enfants de troupe. Tous les autres membres de la famille anciens enfants de troupe qui, par leurs conseils, suggestions, propositions, nous ont aiguillonnés parfois, challengés, toujours dans le but de relever le défi qui nous était lancé pour que la réussite soit au bout. Mais enfin et surtout, tous les membres des sous-comités qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs moyens, ils ont avec dévouement, sincérité, engagement et générosité fait de la réussite et de notre participation à ces activités une question d'honneur, malgré les incertitudes et les aléas inhérents à ce genre d'organisation. Ils nous ont proposé un programme scientifique, culturel, environnemental, social et sportif annuel, riche et très varié. Je voudrais personnellement les citer pour les donner en exemple à l'ensemble de la fratrie. Il s'agit du professeur Amadou Gallo Diop, du président Abdoul Nian, du docteur Emmanuel Joachim Sarr, pharmacien, du professeur Seydi Ababakar Sindiaï, de l'ancien Cheikh Agne, de notre secrétaire général international et national Tierno Rabin Sarr, du président Elage Alun du colonel de gendarmerie en retraite, de notre communicant en chef qui a fait la signature médiatique et euh, communicationnelle de tout cet événement, cher Kouyaté, Monsieur Charte Graphique, Trafic, de, la commission de euh, communication de l'amicale, du colonel en retraite Gourbay, des docteurs Makissi et Mordiao, de Medoun le trésorier en chef, de Pape qui a mis sa flotte de véhicules à notre disposition, de Amadou Manganjou du protocole, sans oublier la très dynamique section de Saint-Louis. À nos disparus, nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour leur repos éternel. Je voudrais garder le meilleur pour la fin en remerciant très chaleureusement tous les pays amis qui nous envoient leurs fils et qui reçoivent les nôtres. Nos anciens, promos et cadets, qui sont venus spécialement pour cet événement historique du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la France, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal présent ici au Britannique militaire Charles Choréré, en ce jour du 11 février 2023 à l'honneur des patries rassemblées. L'honneur des patries rassemblées au sein du Britannique, nous remplit de fierté, fierté, l'honneur des patries rassemblées au sein du Britannique, nous remplit de fierté, fierté. Soyons bras levés dignes de l'école qui nous a toujours cultivés pour tout savoir et mieux servir afin d'être un univers uni pour tout savoir et mieux servir afin d'être toujours bien armés si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris, nous n'aurons peur de rien, de rien. Si demain le ciel s'assombrit, si le temps devient gris, nous n'aurons peur de rien, de rien. L'espoir, la mort et la victoire. Le destin est autre que confiance notre étendard défie l'ennemi, redonne du courage et illumine la nuit. Notre étendard défie l'ennemi, de sa devise et de son ampleur. Que vive le Britannique militaire Charles Thioréré, que vive la fratrie, enfant de troupe un jour, ancien enfant de troupe pour toujours. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Rendez-vous pour le prochain centenaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Euh, Françoise, euh, mu ancien enfant de troupe bi jël nañu cadeau. waaye def fi de bu am solo nga gis euh, ki nga ancien enfant de troupe yi yaram Wow, Maman Moussa Niang mu euh, euh, président de l'association des anciens enfants de troupe mon modèle jël euh, kaddu gi euh, mu woy fi nag woy bu neex tamit Mama Moussa Niang daal di koy li nga disque d'or euh, si le ciel s'assombrit nous n'aurons peur de rien ba notre étendard défie l'ennemi donc mu nek ay ay paroles ay wax yo xamné am solo ndaxte dafa nek li nga xamné moy li nga euh, école euh, école militaire Bobo, muy euh, britannique militaire donc ancien enfant de Tropite, woné sen bop ci centenaire bi ba paré jox ñu rendez-vous nak ci centenaire bi di ñew ñuy ñaan yalla rek ñu bëri ci ñun fekkee ko en tout cas Mama Moussa Niang. Mm, xaw fan nga défé école école primaire mais xamna ceci sax bofu duggé duggee war na daw. <laughs> Hein? c'est normal loolu c'est normal aussi c'est normal motax tax mën na ko nangul beaucoup d'émotions, mm. beaucoup d'émotions chef suprême des forces armées monsieur le ministre des forces armées messieurs les ministres mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis monsieur le général de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national du Lyon, monsieur le général de corps d'armée chef d'état-major général des armées Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, chers anciens du Sénégal et des pays amis, monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 2, monsieur le colonel commandant du Britannique militaire Charles Nchorere, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers anciens enfants de troupes, mes pères, mes grands frères, mes petits frères, chers enfants de troupe, mes fils, nos fils. Au moment où nous célébrons le centenaire Charles Ntchorere de Saint-Louis, soyons reconnaissants envers Dieu, car étant les témoins privilégiés de cet événement émotionnellement poignant qui ne se vit qu'une seule fois. Chanceux, nous le sommes tous, peu importe nos qualités. Notre présence sacre le triomphe du lien intergénérationnel qui unit la grande famille du Britannique militaire Charles Nchowere. Certains trouvent ce lien irrationnel, mais il est vraiment vivant. De sa création en 1923 à nos jours, le prétané militaire Charles Nchoro n'est plus à présenter. Auréolé du titre de meilleure école du Sénégal, il reste fidèle à sa réputation, mais surtout à sa devise, savoir pour mieux servir. Sa dimension internationale, associée à la qualité de ses enseignements avec un personnel dévoué, rompu à la tâche, lui confère le statut si envié le creuset d'excellence, lequel épouse de fort belle manière le thème retenu à l'occasion de ce centenaire, 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Mesdames et messieurs, il y a lieu de relever que le chiffre 100 en numérologie est chargé de symboles et traduit entre autres l'union, la complétude, l'intégrité et la perfection. Ces valeurs, fruits d'un cheminement intérieur profond, ont été incarnés par Chabon premier directeur africain du Prétané militaire de Saint-Louis. Premier directeur africain du Britannique militaire de Saint-Louis. Il en assure le commandement entre 1938 et 1939 au grade de capitaine. En une seule année, mêlant vision moderne et pédagogie remarquable, il marquera profondément l'histoire de cette école. Telle une comète, la trajectoire de son parcours élogieux, dont on se fera l'économie, s'achève brutalement le 7 juin 1940 par son exécution. Au prix de sa vie et en fier guerrier africain, il a opposé l'humiliation à l'honneur. On nous mais on ne nous déshonore pas. En choisissant de mourir, en choisissant de mourir dignement, le capitaine Charles Nchorere s'est élevé au-dessus de son agonie dans un champ qui surpasse celui de l'alouette et du rossignol. Un champ suprême dont la vie est le prix. Désormais au panthéon de nos héros africains modernes, la disparition tragique du capitaine Charles Nchoréré résonne comme une aune à l'amitié, au respect de son semblable, à la fraternité, en un mot, à l'amour de l'humanité. Ces notions vertueuses dont s'abreuvent involontairement les enfants de troupe traversent les époques et demeurent une constante malgré le temps qui s'égrène. Mesdames et messieurs, dans sa quête de l'excellence, à l'image de la chenille qui se transforme en papillon avant de prendre son envol. L'enfant de troupe devra fourbir ses armes avant de vêtir l'armure de son accomplissement. Du constat établi, c'est une fois devenu ancien enfant de troupe que l'on prend la réelle mesure des bénéfices de notre passage dans cette prestigieuse école. s'il apparaît que la justification de notre présence au Britannique militaire Charles Nchorere est le fait d'une coopération bilatérale, l'environnement dans lequel nous avons évolué forme un panorama composé de nationalités. D'ailleurs, le capitaine Charles Nchorere, qui fut gabonais d'origine, sénégalais de cœur et naturalisé français, symbolisait à lui seul ce savant mélange d'adaptation et d'intégration. Nos premiers pas au sein de l'école sont généralement teintés de nostalgie. Et croyez-moi, je suis bien passé pour, pour vous le dire. De nostalgie, d'hésitation, de crainte, de méfiance, de curiosité et souvent même de colère. Mais progressivement, ces appréhensions font place à un esprit de cohésion, de confiance mutuelle, de solidarité, d'entraide, de partage et d'amitié. C'est ce lien que certains trouveront irrationnel, mais c'est ça le prétané militaire Charles Nchorere. Il faut le reconnaître, se côtoyer quotidiennement, partager les mêmes repas, pour ceux qui savent, en se faisant souvent tailler, les mêmes dortoirs, les mêmes salles de classe, les mêmes sanitaires, où nous, à l'époque, on avait la corvée des sanitaires. J'apprends qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un vrai sacrilège. Les mêmes sanitaires consolident les liens fraternels tissés au fil des ans. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, les humanités développées au Britannique militaire Charles Ntchorere à travers ses pensionnaires venus de divers horizons ont posé les jalons d'un multilatéralisme agissant. Loin du dédale de toute considération, la transposition de nos particularités au profit d'une singularité commune est le gage de la matérialisation de la vision de nos chefs d'État qui n'ont cesse de prôner l'intégration africaine que nous avons toujours euh, expérimenté au quotidien ici au Britannique militaire Charles Nchorere. Aussi, après 100 ans d'existence au service de l'excellence panafricaine, qu'il me soit permis de rendre un hommage solennel et mérité à tous nos enfants de troupes, à tous nos anciens, et je voulais attirer l'attention des uns et des autres que la promotion la plus ancienne parmi nous ici, c'est la promotion 1951. Ils ont actuellement entre 80 ans et 100 ans, et je vous assure, ils se portent comme d'un charme. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et messieurs, si nous pouvons nous féliciter de ce que le prétané militaire Charles Tchorere soit une réussite, relevons ensemble l'audacieux pari que les 100 prochaines années soient encore plus déterminantes pour le rayonnement d'une Afrique fière, unie et triomphante, comme l'évoque le premier couplet du chant de l'école, je cite, L'honneur des patries rassemblées au sein du prétané nous remplit de fierté. Excellences, Mesdames et Messieurs, quand je suis arrivé au prétané militaire en octobre 1978, j'ai commis l'impair de me présenter auprès d'un ancien comme étant enfant de troupe. Il m'a rectifié et il m'a donné la bonne formule. Je vous la cite. Enfant de troupe, il a dit non. On reprend. Animal de brousse, Ernest bois venant de la forêt dense du Gabon. Ça, c'était la présentation en octobre. En décembre, après avoir reçu l'insigne, j'étais devenu un enfant de troupe. C'est pour ça qu'on dit enfant de troupe un jour, ancien enfant de troupe pour toujours. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites pour cette école et c'est à ce titre que nous considérons que vous êtes l'AET d'honneur et nous vous recevons ici. Nous vous recevons ici, Monsieur le Président, dans notre école sous nos prétanés. Je vous remercie. discours bu am solo doon Del Swati, ki nga xam ne moo nu ñu tuddee militaire muy Charles Thioréré nekk euh, moom it euh, royukaay. waaw nekk royukaay ndaxte ay jéego yu rëy la def euh, ci walu armée mu nekk nag euh, koo xam ne mu ngi juddu 1896 euh, génn àdduna 1940 kon nag euh, bi muy génn àdduna mama amagul 50 ans kon nag moom la ñu tuddee école de prestige boobu kon mu mel ni ki jëloon kàddu mooy représentant parrain bi moom tamit mu dal di wax fan la parrain bi ki ñu tuddee école bi fi mu jaar yëpp daal di wax tamit li nga xam ne euh, moom la ñuy def ci école bi ndaxte bëgg rek ñu perpétuer li nga xam ne valeur valeur du jom valeur fayda valeur vie. jàng bu baax it valeur yoo xam discipline la te discipline euh, Mama maña dafa am euh, solo torop euh, ci gone même ci mag tamit donc mu école d'excellence Mon mu dellu si waat ci loolu daal di gërëm ki nga président de la république bi nga Euh, fekkee si li nga xam ne mooy euh, cent ans wu école bi. Mm-hmm. cent ans wu école bi président de la république di ko jiite ñu fàttali kon ñu ngi nekk euh, ci Ndar foofu ci Dakar Bango wax jaw xam nga parrain moom kenn du ko tànn nii rek xëy na Charles Thioréré ci jaar-jaar ak ci seetlu ak ci carrière am lañ ko tànnee mu mel ni nag ba léegi li ñuy wax éternel. ah maanaam mi ngi mel ni dafa nekk ci wetu ñi di élèves yi ak anciens yi ndax euh, marqué na leen bu baax a baax moom moom parrain bi. tout à fait waaye waaye si wax léegi euh, au-delà du fait que gabonais la parce que Charles Tchoréré mu ngi juddoo Libreville François mu ngi koy fàttali 1896. Donc, euh, d'une certaine façon, il représentait un peu la famille du parent, mais aussi il parlait en tant qu'ancien enfant de troupe. mu ngi a que suis venu militaire en octobre 1978. Euh, nu nous c'est ce qu'on appelle un peu dans les écoles militaires le bizutage et le bleuissement les bleus nous ñu dafa am

xale yi peut être. Euh, pour wax la rek euh, mbirum drapeau bi jotum drapeau bi. so jotagul hein so jotagul image yoy nonu voilà exactement donc euh, si on a la grande neutralité. Mhm. mu ngi non donc Charles Choréré mom bu mu solo mom la wax l'homme des deux guerres mondiales. Mhm. parce que mom dafa xex 14 18 xeex 39 mais yegul ka yi image gis nga. voilà xale yi ñi moy ñi doga dal. Mhm. xam nga 11 ans légui parce que dafa melni ni dañu wàccee at 11 ans la ñu euh, donc 11 euh, ans bu que doon na 13 ans mais apparemment on a on a diminué l'âge d'entrée donc bala ñuy gis drapeau bi souvent RTS sax day def euh, reportage ci bu leen di won drapeau bi ak di leen jox insigne bi au mois de décembre donc muy cérémonie bu mais Charles Thioréré maa ngi doon fatali que def na 14 18 mais 39 45 défoulé parce que 1940 lors de la bataille de France dans l'offensive de ce qu'on appelle la Somme femme mu nekkoon combat yu metti donc euh, allemand yi wër leen euh, ñu jàpp leen euh, mais xam nga allemand yi bu comme ça des troupes moi c'était un officier français donc ñu bëgg a teqal yi ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi mu ne leen non loolu du am benn soldaaru allemand jël balu fetal d'or ko ci bopp bi rey ko dans une brutalité une bêtise complètement suprême quoi noonu donc la qui et puis finalement en 1973 effectivement y a une période du cinquantenaire bi xam souvent ces anniversaires là d'ailleurs correspondre à des genre rupture et mutations. donc de 1923 à 1973 c'était l'école militaire préparatoire et en 1973, lors du cinquantenaire on a décidé bon de trouver un parrain à cette école parce que les euh, pour un militaire tombé au champ d'honneur c'est le sacrifice suprême aller au sacrifice suprême verser un tribut de sang lolo dara rawu ko bu fekkee ne soldat Nous, tous ñu tuddé école bi ñu pour xalé yi euh, voilà prendre euh, euh, s'inspirer de lui et donc faire leur travail et lolo la waji ji fi mais mu ngi aussi le lien intergénérationnel bi am ci ñom seen c'est-à-dire que c'est les plus anciens qui sont peut-être là c'est la promotion de 1951 51 ans, ça fait 72 ans Vous faites connaître, am 10 ans bi ngay école tu as 82 ans aujourd'hui Moi, je suis ne fa ils ont entre voilà 80 et 100 ans un siècle alors si ils souhaitent être là lors du prochain centenaire ben nous aussi on voudrait être là. Je suis <laughs> euh, ngeen gis euh, xale yi ci école bi ñu ngi noonu sànq yaa ngi wax jëm ci lu brevet de parachutiste ay avantages yo xamni xalé yi mënuñ ko am ci. brevet para euh, mhm. permis de conduire. brevet de para permis de conduire ak yenen yu bare. yo xamni même certains brevets mhm. militaires. Mhm. donc euh, qui leur permettent parfois de ñu démé dans les écoles soit d'officiers ou de sous-officiers. mu nek des sortes de points supplémentaires. loolu yëpp euh, day wane rek kon. li nga xamni mom moy mandargal école bi li François don wax école d'excellence la. Hein, école d'excellence euh, ndaxte euh, comme ni Omar Diaw dañuy euh, enseignement moy li ñuy e-, école yépp waaye dañ fay jang aussi li nga xamné moy euh, euh, apprentissage à la vie militaire dinañ fa jang aussi euh, man li ma neex ci école bi moy sen discipline mhm, mhm. té ay xalé yu discipliné nañu té école buñu dem aussi dañuy woné sen bop bopp ci xarañte ci jang bi ndaxte mhm. comme niñ ko waxé aussi ben concours bu sélectif la donc on choisit la crème euh, té buñu démé fofu aussi dañ leen di jox enseignement de qualité donté ay civil ñoo leen di jàngal fofu nga egsi ci ben école yaangi am fukki at ben nga wara a jàng ba dem ba am bac di nga am bac peut-être à l'âge de 17 18 ans euh, école bo munti dem tamit bu fekkente ne defoo Euh, kii continuer woo ci euh, cursus militaire bi euh, di nga fa nekk tamit koo xam ne ku xarañ la sànq ñu ngi doon wax ne fii ci Sénégal am na ñu bëri ñu fa jàng ñuy bàyyi xel rek ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye li Euh, mom ci école bobu la jangé ku ci melni Cheikh Tidiane Gadio tamit mom ci école bobu tamit militaire waaye it euh, ci walu dirigeant sportif yi euh, ñuy wax ne ki nga xamné moy Serigne cham mom tamit ci école bobu le joggé Serigne Mbaye Thiam ki nga xamné ne créé douzième gaynde ci dix neuf ñuy bu ñuy organiser au Sénégal. Euh, Coupe d'Afrique des Nations donc euh, mon moo créé woon ak ay xaritam li nga xamné moy 12 euh, douzième gaynde bi nga xamné ne Mama Moussa Niang ñom ba légui ñu ngi équipe nationale fu nekk donc Serigne Baye Chambo bu mom tamit ci école bi le jogé kon nak mu école d'excellence mu école bo xamné wax euh, ñom ni ñuy jàngé discipline war nañ ko lawal ci ci école yu bare ndaxte euh, légui c'est des vertus qui sont en train de disparaître mais il faut que ñu continuer pour que xalé yi mun nek nekk ay xalé yu bien éduqués euh, bien instruits ngir Sénégal mun jëm kanam baax na it ñu ñu ñu ñu ñu fàttali dëgg la ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñoom sax mi ngi ci journalisme bi waaye journaliste yi tamit bari na ci ay cadre yoo xam ne intellectuel yu nekk ay produits yu prytanée militaire ah fii ci kër gi sax sooy xool ku mel ni Cheikh Tidiane euh, Ndiaye mi ngi ci fii ci RTS euh, Souleymane Niang suñu naataangolo mi ngi ci ci ci RFM. Ah, ben Makhtar Diop ah, Pape Samba Diarra. Ah, Tu ne. tu peux pas citer tous les anciens qui hmm. finalement sont, sont devenus de hauts cadres euh, dans tous les secteurs. Hein. Le, président de, l'amicale des anciens enfants de troupe, ou Noko, ils sont partout. Bon, comme euh, un ancien de, devant vous peut dire que oui, euh, ils sont aussi partout. Mm-hmm. École Bounèque amène des prolongements de réussite et d'excellence même si euh, le Britannique se signale. Donc, se signale euh, pour diverses raisons, l'excellence. Vous savez, l'excellence, déjà, c'est au départ, dans le choix. Euh, l'essentiel des, élèves du Britannique militaire en sixième avaient réussi au concours d'entrée en sixième et au concours d'entrée au Britannique. Évidemment, devant le choix, il, prenait le, le, chef de l'État devant les Président de la République, chef suprême des armées, militaire de Saint-Louis vous prononcer discours son excellence Muric Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, excellence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Monsieur le colonel commandant le Britannique militaire Charles Choi de Saint-Louis, honorables invités, civils et militaires, venus des pays frères et amis, en vos rangs, grades et qualités, officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers anciens enfants de troupes, chers enfants de troupes, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je viens en ce jour historique présider la célébration du centenaire du Britannique militaire Charles Tchororé de Saint-Louis. Il y a 50 ans, jour pour jour, le premier président de la République du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor, Sacrifié au rituel commémoratif du cinquantenaire de cette grande école. <coughs> M'excuserai, j'ai pris beaucoup de poussière avec les jeunes tout à l'heure. <coughs> Alors je, je, souffre un peu de cette poussière. <coughs> Ce temple de l'éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d'adolescents du Sénégal et d'Afrique pour en faire de grands serviteurs de nos nations respectives est aujourd'hui à l'honneur. d'amener la bouteille d'eau. <laughs> ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup. Je disais donc que ce temple de l'éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d'adolescents du Sénégal et d'Afrique pour en faire de grands serviteurs de nos nations est aujourd'hui à l'honneur. Certains parmi eux, ainsi que les braves hommes et femmes, civils ou militaires, membres de leur encadrement, ne sont plus de ce monde. À l'évocation de leurs souvenirs, je voudrais me joindre à tous en communion pour m'incliner pieusement devant leur mémoire. À travers eux, je rends un hommage appuyé aux générations successives qui ont contribué à faire du Britannique militaire de Saint-Louis un fleuron de notre système éducatif. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le colonel commandant de l'école a décliné tout à l'heure la trajectoire lumineuse du Britannique militaire marquée par de belles avancées au cours de ces dernières décennies. Je salue toutes les réalisations rendues possibles par l'engagement et le dévouement de tous les acteurs, parmi lesquels il me plaît de citer le chef d'état-major général des armées, l'encadrement militaire de l'école, tout grade confondu, le corps professoral, la dynamique amicale des anciens enfants de troupe et la précieuse association des parents d'élèves. Tous, génération après génération, ont fait de cet établissement une fierté nationale, voire africaine, tant le rayonnement international de l'école n'est plus à démontrer. En effet, plus qu'une école, le Britannique militaire Charles Thoreau de Saint-Louis est aujourd'hui une véritable institution qui transcende le Sénégal, un creuset de formation à vocation africaine. C'est pourquoi je me réjouis du thème de cette célébration. 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Sans aucun doute, au cours de son siècle d'existence, le Britannien militaire a été un pôle africain d'excellence. La constance des brillants résultats scolaires engrangés ainsi que la diversité des nationalités des autorités issues de l'école et présentes dans cette tribune en sont une parfaite et concrète illustration. Comment ne pas célébrer dès lors tous les anciens chefs d'État, les diplomates chevronnés, les lauréats des grands prix internationaux, les experts de haut niveau de la défense, de la sécurité, de la santé, de l'économie, des sciences, des arts et de la culture qui sont passés par le moule britannique militaire de Saint-Louis et qui ont contribué à forger son label d'excellence. C'est donc pour moi l'occasion de remercier chaleureusement tous les invités venus de l'extérieur, malgré leur agenda chargé, pour honorer cet événement qui constitue un véritable pèlerinage. Je réserve une mention particulière à la forte délégation venue du Gabon, pays d'origine de l'illustre palin de l'école, le capitaine Charles Tchororé. Je salue son petit-fils présent parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, honorables invités, la pertinence du thème choisi réside surtout dans l'opportunité qu'il m'offre à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine pour encore une bonne semaine, de m'adresser directement en ce moment solennel à ces jeunes Africains, enfants de troupe, choisis parmi les meilleurs de leur génération. Chers enfants de troupe, prenons à témoin vos valeureux grands anciens je voudrais vous inviter à prendre conscience des fortes attentes de vos peuples respectifs et du continent dans leur marche résolue vers l'avenir. Vous le constatez sans doute, l'Afrique, notre continent, est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis liés surtout à la dégradation de sa situation sécuritaire et à sa marginalisation croissante dans l'économie mondiale. Dans ce monde de compétition qui ne laisse aucune chance aux nations faibles, parce que divisées, notre salut réside incontestablement dans la voie de l'intégration. Plus que jamais, dans la continuité des pères fondateurs du panafricanisme, nous avons besoin de prendre en main notre propre destin en faisant confiance à la créativité et à la vitalité de la jeunesse africaine, imbue des valeurs de travail et de solidarité. Aujourd'hui, le Britannique militaire Charles de Saint-Louis, pôle d'excellence et de brassage, vous offre un cadre idéal pour cultiver et développer ses valeurs. Je vous invite à mettre à profit votre immense potentiel pour accéder à la connaissance directe selon les mots du professeur Cheikh Ante Diop, dont nous célébrons également le centenaire en ce mois de février. Et vous construire pleinement avec les outils de votre temps. Dans quelques années, certains parmi vous feront partie des grands cadres et décideurs africains. Les liens que vous aurez tissés ici dans vos salles de classe, vos réfectoires et vos salles de sport seront déterminants dans les décisions que vous prendrez et qui guideront les destins de vos pays et celui de notre continent. Le Britannique militaire Charles théodore de Saint-Louis vous ouvre dès le bas âge un itinéraire balisé par le travail, la discipline et la rigueur militaire qui feront de vous des citoyens exemplaires. Mesdames et Messieurs, la dimension panafricaniste de cette école d'élite et l'espoir que suscitent les enfants de trop nous confortent dans notre pari sur la jeunesse et l'éducation pour réaliser notre ambition d'une Afrique solidaire et maîtresse de son destin. C'est pourquoi nous continuerons de porter une attention particulière à cet établissement dans le cadre de la politique nationale de développement de l'éducation et de la formation. Après 100 ans d'existence, le Britannique militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. Aussi, j'invite les ministres des Forces armées et de l'Éducation nationale à engager la réflexion sur l'ouverture prochaine d'un deuxième Britannique militaire dans une autre région du Sénégal. La perspective la perspective d'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres Britanniques africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion. Je sais que les changements font toujours peur, mais il faut oser l'avenir. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon propos en vous réitérant mes vives félicitations pour l'organisation de ce centenaire qui a mobilisé beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de solidarité, valeur fondatrice de votre identité d'enfant de troupe. Je sais d'avance que les autres activités qui vont rythmer le centenaire tout au long de l'année 2023 bénéficieront du même élan. À tous les anciens enfants de troupe des pays amis qui nous ont fait l'honneur de se joindre à cette célébration, je leur souhaite un bon pèlerinage, un bon retour au pays natal. Aux enfants de troupes du Sénégal et d'ailleurs, je souhaite bonne continuation sur les chemins de l'excellence pour que vive le savoir, celui qui élève l'esprit, trempe le caractère et féconde la vertu de toujours mieux servir son pays. L'avenir vous appartient car le destin n'est autre que confiance, comme scandé tout à l'heure dans le champ de l'école. Joyeux centenaire, je vous remercie de votre aimable attention. foofu euh, Saint-Louis du Sénégal je vous nañu préciser ko discours président euh, président de la République euh, moom dafa souhaiter bonne fête du centenaire

Euh, que autorité euh, militaire et autorité éducation nationale Khalati ci mu une euh, ñu école bu bu melni britannique militaire ci benen région bu dul Saint-Louis donc ñu décentraliser ubbi même école bi école d'excellence euh, ci benen région loolu moy première piste de réflexion waye deuxième piste de réflexion bi moy que ni euh jotna est-ce que jotul tamit ñu intégrer jigéen ci euh ci école d'excellence bobu ndaxte euh, amna ñu santante tey am expérience bi euh, gis nañu ay génération génération wu euh, élèves yu fa défiler donc tay jotna na ñu ubbil ko jigéen waye waaye wax na it né euh, changement yi am na ñoo xam ne ñu changement daf leen di titel touti waaye néna leen buñu tit nañoo réflexion bi pour que jigéen aussi muna intégrer école boobu d'autant plus que maman Moussa Niang bo bo demee ci yenen corps d'élite yi euh, pénitentiaire yi da ngay gis ay ay jigéen bo démé gendarmerie da nga gis jigéen euh, pourquoi pas ñu ubbi école bi aussi aux femmes d'arté tey jigéen euh, lu je pense que loolu réflexion bu en tout cas personnellement bëggoon naa ko te euh, bu bu lii euh, ndokk président de la république moom ci boppam laajee autorité pour ñu ubbeeku def réflexion pour que jigéen intégrer li lycée d'excellence donc, euh, kon euh, réflexion yu la perspective yu réflexion Omar oui tout à fait en réalité l'idée de mixer le Britannique euh, ne date pas d'aujourd'hui le président Abdoulaye avait eu l'idée déjà d'ouvrir le Britannique aux filles comme l'école militaire de santé est ouverte aux filles comme Françoise l'a rappelé dans la gendarmerie la police et donc euh, les eaux et forêts, etc. Beaucoup de corps habillés, comme on dit, euh, se sont ouverts aux, femmes, et on l'espère pour le Britannique des filles. Maintenant, la perspective, je veux dire, la perspective, c'est-à-dire que le président, pour l'instant, c'est une réflexion qu'il va demander à la fois au ministre des Forces armées et au ministre de l'Éducation nationale de mener cette réflexion pour l'ouverture d'un deuxième Britannique qui accueillerait des filles peut-être pas l'ancien Britannique peut-être pourrait rester tel quel, mais que le second Britannique à venir dans une région à définir s'ouvre aux filles. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut retenir. Euh, et aussi, il a beaucoup, beaucoup insisté sur l'intégration africaine parce que ce Britannique-là, euh, finalement, a été au cœur de l'intégration, au début de l'intégration en Afrique. mi ko ko euh, mu doon en direct de Saint-Louis gërëm pap Birame Bigué Ndiaye ak équipe ñi mu àndal euh, foofu gërëm suñu mbokk yi ñoom it ñu ngi foofu ci rajo Saint-Louis ñoom it ñu ngi woon ci liggéey bi ci rajo bi gërëm it euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci régie bi gërëm Françoise Françoise amoon naa mbégte lool ànd ak yow. <laughs> man tamit. <laughs> xam naa <laughs> semaine bi moom dañoo xaw a mbëkkante daje fële ca sport ba daje waat fii loolu it am na solo Omar Diaw gërëm la sant la. yow moom defe naa ne boobaak léegi yaa ngeek euh, ñun macha allah ci xalaat yu rafet yi yàlla bàyyi la fi yàgg yàgg si suñu kanam nga ñuy gunge bu baax a baax Omar Ndiaye ñu ngi lay gërëm ak say équipe boobu ak léegi ci suba teel ñu ngi taxaw ñoom it euh, di ñu jàppale Fatou Diouf Youssou Kaba Khady Kane ak Ousmane Ngari ñoom ci wàllu rédaction bi la dellu rek leen fàttali bu ñu demee ba boori ngoon incha dina dinañ am yeneen xew-xew yoo xam daan ci ànd ak yéen balaa ñuy sore rek suñu jigéen Adja Anne Marie Comis dina ñëw léegi léegi indi leen xibaar yi ci kalamay nasaraan mbokk yi ñu ñaana leen jàmm